le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Le programme se poursuit. Restez avec nous pour les 45 minutes à venir. Vous êtes à l'écoute du studio Kalangou. Il est 18h passé de 15 minutes. Le forum de studio Kalangou chaque soir débat sur des sujets d'actualité et c'est du lundi au vendredi. nous sommes mercredi 8-9 novembre 2016, ce soir de l'élection de Donald Trump à la Maison Blanche et ses éventuelles conséquences pour l'Afrique. Nous parlerons principalement d'élevage et reviendrons sur la COP22 qui se tient depuis lundi à Marrakech au Maroc. La saison hivernale vient de s'achever. Nous faisions la semaine dernière le point de la campagne agricole. Aujourd'hui, nous verrons comment s'est déroulée la campagne pastorale cette année qu'est-ce qui a marché, les difficultés rencontrées par les éleveurs. Euh, poursuite euh, de la COP 22 hier après-midi à Marrakech, la délégation du Niger à cette rencontre s'est retrouvée dans une salle située dans la zone bleue. La rencontre est dirigée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Al-Mustafa Garba, détaille dans ce forum. Messieurs, dames, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur ce plateau. Je le disais, nous sommes mercredi 8 novembre 2016. Direction tout de suite à Difa, où la situation pastorale dans cette région a été marquée par une insuffisance de pâturage cette année, selon le coordinateur de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, Arendifa Issa Bunga. Il affirme que, bien que la santé animale soit acceptable, la transhumance est quasi inexistante du fait de la situation d'insécurité que connaît Difa. Des milliers d'animaux du Nigeria et du Tchad sont venus accroître le cheptel, ce qui a rendu difficile la cohabitation éleveurs-agriculteurs. Des conflits occasionnant des pertes en vie humaine ont été enregistrés ainsi que des cas de feux de brousse signalés dans certaines zones. Écoutons Issa Bonga, il est au micro de notre correspondant Adifa Adam est déjà un peu sur le point euh, d'évaluer la production fourragère euh, sur la région, donc euh, avec la direction de l'élevage. Du point de vue théorique, on peut dire que la production est bonne, mais quand on rentre vraiment à l'intérieur, il y a une grande disparité et aussi la qualité de, du pâturage. Bien que c'est un pâturage de très bonne qualité, mais c'est pas genre de pâturage durable, de pâturage très volatile, très appété aussi, et ce qui fait que vraiment c'est un partenariat qui ne va pas durer beaucoup. cela dit à quoi euh, Bon, cela est dû certainement au niveau des de, quantités de pluie qui sont tombées, quoi. Donc, euh, sur plusieurs, en tout cas, endroits là où nous nous sommes rendus, le partenariat n'est pas allé à la, à, la maturité. C'est un peu précoce. Et il faut dire aussi, et pratiquement dans tout euh, le, le Kazel, Kaola, en tout cas cette zone aussi qui est une zone pastorale par excellence, ça, il faut parler pratiquement de, de manque même, presque de l'absence même du pâturage. C'est d'une des années où en tout cas cette zone est vraiment dépourvue de pâturage. La production est très médiocre. Alors quels sont les lieux où il y a plus de pâturage Vraiment quand tu dépasses euh, cette partie de Kaula Kazel, environ quand tu prends Difa, donc tu vas vers le nord à partir de saint forage, c'est une quarantaine de kilomètres de Difa. Là si tu remontes vraiment au nord, partout il y a du pâturage. Mais comme je t'ai dit que c'est pas de, de, de pâturage de grande taille. Oui, c'est ce genre de pâturage dont vraiment les animaux ont besoin. C'est très appété. Les gens parlent beaucoup déjà de sa très bonne qualité. Bon, mais généralement, quand on dit que le pâturage est de très bonne qualité, il faut dire que aussi ça a une durée de vie très courte parce que ça sera énormément consommé. Les éleveurs, même ceux qui euh, s'apprêtent à un certain moment à aller en transhumance, et ils seront tous là. Bon, tu sais que déjà cette année, depuis en tout cas l'avènement de l'insécurité, la transhumance en tant que telle vraiment n'est plus pratiquée dans, dans sa forme euh, connue. Pratiquement, on a beaucoup d'animaux, et des animaux du territoire nigérien et même des animaux maintenant étrangers qui ne peuvent pas transhumer comme on dit et qui restent là. Et maintenant, le poids fait que vraiment et sur les sur les ressources, les poids sont assez importants. Et donc, ce qui fait que déjà, en tout cas, on pense que et compte tenu de ce qu'on a vu, en tout cas, on n'a pas encore euh, sorti les rapports, en tout cas, de l'évaluation en tant que tel, mais on est certain que ce pâturage dont tout le monde dit que c'est une très bonne production. Oui, c'est vrai, il y a une production, mais aussi, et il faut pas oublier que il y a eu un certain nombre quand même de, choses, en tout cas, contraignantes qui sont venues. Il faut parler des criquets qui sont venus, qui ont mangé une bonne partie. Il faut aussi, ces derniers temps, vous avez dû entendre énormément, donc, euh, des cas de faits de brousse. Et maintenant, tu as vu, ça a bouffé énormément d'hectares le dernier, il date donc de, samedi, samedi dimanche passé sur une superficie à peu près de 40 sur 30 km. Hein, quand tu prends le nord euh, de Sayam Forage, vraiment presque jusqu'à Isari. Toute cette partie-là, il y a tellement de très bons pâturages, tout a été englouti par les feux. Tu vois, ça, ça fait vraiment des facteurs qui font que euh, justement la situation va se compliquer euh, dans les prochains mois. Et là, les sensibilisations s'imposent. Vraiment, les sensibilisations c'est-à-dire la phase théorique et la phase pratique, vraiment de protection et de, de, de prévention des faits de brousse. Nous déjà, si vous appelez à chaque fois quand même qu'on se rencontre, on lance euh, à travers euh, vraiment toutes les radios et des sensibilisations pour que les gens fassent euh, énormément attention par rapport à leurs activités qui sont vraiment qui se rapportent au feu. Quand est-ce qu'il faut allumer le feu, où il faut l'allumer et, et, comment se rassurer que justement le feu qui a été allumé est justement directement donc mis hors état de, de, nuire. Tous les faits de plus qui ont été en tout cas enregistrés, les causes, ce sont les élèves eux-mêmes. C'est vraiment dommage. Mais il y a aussi donc la réalisation des bandes parfaites. Cette année, donc euh, vraiment la CCA a lancé un très grand programme de réalisation des bandes parfaites ça tarde à commencer normalement. À moins de, novembre, on devrait avoir vraiment au moins, même si on n'a pas fini toutes les opérations, on, on, on devait être au moins à, de, de, 50 à 70 Et la situation de la santé animale la situation sanitaire vraiment est calme. Rien que donc la semaine passée, nous avons fait en tout cas une grande tournée au niveau de plusieurs en tout cas points d'eau. Nous avons discuté avec les éleveurs. Vraiment la situation est calme. On nous a déclaré en tout cas qu'une maladie, ce qu'on appelle les maladies à déclaration obligatoire. Et quand tu vois les animaux euh, à, à, vue d'œil, vraiment ils sont d'un très bon emploi et d'une santé vraiment apparemment bonne. Bon, il y a une maladie euh, qui est présentement un peu en vogue, c'est déclaré dans la région Tawa. C'est une maladie, bon, qui n'est pas très connue ici, mais qui malheureusement est transmise donc de, de l'animal à l'homme. Ici, nous avons fait une rencontre là où le directeur régional de l'élevage est venu exposer vraiment, euh, informer communautés par rapport à l'existence de cette maladie et que les gens fassent très attention dès qu'ils voient en tout cas des signes qui ressemblent aux signes qui sont décrits et d'alerter en tout cas les points de le, sanitaire qui est le plus proche. Mais pour l'instant, elle n'existe pas d'IFA Non, en tout cas, nulle part, il n'y a pas eu de, euh, déclaration qui est relative à cette maladie. Monsieur le coordinateur, nous avons remarqué que ces derniers temps, il y a aussi euh, des conflits qui ont commencé à pousser. Oui, malheureusement, il y a des conflits qui sont même d'une certaine euh, nature qui liées un peu au ramassage de la paille et avec euh, vraiment des morts d'hommes, c'est quelque chose que nous déplorons beaucoup. Et tu vois, et ce conflit qui n'est même pas euh, la forme connue entre éleveurs et agriculteurs, c'est même entre euh, agriculteurs eux-mêmes. Pour des questions de ramassage de, de paille à proximité des champs, les gens ils vont des affrontements violents et qui conduisent à la mort. Ensemble, tous les acteurs, les éleveurs, les agriculteurs, des gens qui sont avertis vraiment et qui sont aussi, et, si tu veux, assez tolérants qui fasse de sensibilisation et vraiment de la même manière aux éleveurs qu'aux agriculteurs. Parce que dans tous les cas, c'est deux frères compte tenu d'un certain nombre de dangers, ils peuvent toujours euh, se révéler la cohabitation un peu difficile. Si le, manque de ou l'insuffisance de pâturage se, confirme officiellement, quelle est la voie de sortie Bon, la voie de sortie, ce sont les voies situées qui sont déjà connues. Nous, déjà au niveau des arènes, nous avons avec l'appui de CICR une réserve de 700 tonnes d'aliments bétail qui sont là et, euh, nous comptons aussi augmenter, renforcer cette réserve. Et tu sais que chaque année, vraiment, ça fait depuis 2014, chaque année, il y a vraiment des quantités très importantes qui sont placées euh, sur les, couloirs de mouvement, sur les grands centres, les, grands points d'eau. Là, il y a des, regroupements importants d'animaux pour un peu aider vraiment les, animaux euh, un peu à conduire jusqu'au prochain hivernage. Et bon, mais de côté de l'État également, euh, comme tu sais, c'est des opérations qui sont presque toujours reconduites. Je crois savoir que présentement, au niveau de la région, au niveau de l'élevage, il y a vraiment des stocks euh, qui sont très importants, qui sont mis en place par euh, le projet PRAPS. Bon, il y a, et tout naturellement, tu sais, les éleveurs eux-mêmes euh, sont en train d'acquérir, si tu veux, des formes de résilience pour vraiment, si tu veux, lutter contre les aléas climatiques qui sont vraiment très récurrents. Ils ont un niveau de résilience aujourd'hui qui est vraiment assez élevé. Tu vas voir, dès qu'on commence à comprendre que c'est, on va rentrer dans une difficulté liée à l'insuffisance du pâturage. Les gens, ils commencent à déstocker et c'est quelque chose qui est, qui est rare quand même. Parce qu'au niveau de, de, de, de, la zone agricole, il y a beaucoup de résidus. On avait tout à l'heure parlé de ramassage des pailles et puis de stock euh, de résidus champêtres. C'est stocké, c'est vraiment destiné, si tu veux, à la vente et au moment difficile. pour les agriculteurs, ça leur rapporte euh, énormément d'argent. Et pour les éleveurs, c'est aussi une voie de sortie. Tous ces facteurs combinés font que quand même... Euh, les gens arrivent quand même vraiment à, se tirer un peu de, ces difficultés-là. Toutes ces trois dernières crises, on n'a pas enregistré beaucoup de mortalité donc euh, d'animaux parce que les gens ont commencé à changer de comportement, vraiment à prendre des mesures à travers vraiment de, programmations. et ici, si tu veux, vraiment de, renforcement des capacités de plusieurs acteurs qui interviennent dans le domaine et relatif à cela quoi. Issa Bonga, coordinateur de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, Arène Difa. Par contre, dans la région de Maradi, la situation pastorale se présente d'une manière satisfaisante pour le directeur régional de l'élevage, de l'élevage, le pâturage cette année dépasse de loin celle de l'année dernière. Les éleveurs partis pour le sud pendant la saison de pluie commencent à redescendre vers le nord de la région, zone par excellence pastorale, et toutes les dispositions sont en train d'être prises par les services techniques pour protéger ces espaces. Explication avec le directeur régional de l'élevage de Maradi, Dr Salifou Issakou, au micro de notre correspondant Mohamed Maman. La situation pastorale au niveau de la région de Maradi cette année elle est vraiment appréciable, elle est bonne dans l'ensemble parce que sur le plan sanitaire, aucune inquiétude n'a été jusqu'ici notifiée. sur le plan pâturage également, dans l'ensemble du département, on a en tout cas observé un pâturage moyen. Et il y a des zones de bonne production, il y a des zones de faible production et des moyennes productions en matière de pâturage, en tout cas en ce qui concerne la zone pastorale. En ce qui concerne la zone sud comme zone agricole, euh, moi je pense que la production de résidus des cultures, tout le monde peut l'en témoigner, à l'exception du département de Kidarumji et une partie nord du département de Mei. en tout cas, on peut se permettre de dire que la production de résidus agricoles cette année sera acceptable ou satisfaisante. Monsieur le lecteur, euh, quand on parle euh, de, zone pastorale, on parle euh, de fourrage. En termes de quantité de fourrage, est-ce qu'on peut dire que cette année va être excédentaire et sur ce point, nous sommes là-dessus. Actuellement, quand vous êtes venu, l'équipe d'évaluation du pâturage était sur le terrain la semaine passée. Nous avions cinq sites d'observation échantillonnés au niveau de la Direction nationale de la statistique. Donne sites, euh, trois sites, disons, à Gadebej et deux sites à Bermo et un site à Fako Nord d'Akoro. Ces sites d'observation ont fait l'objet de suivis à chaque décade depuis la tombée des pluies jusqu'à la maturité du pâturage où on est parti la semaine passée, en tout cas poser des carrés de rendement. On a prélevé les échantillons. Nous sommes au stade de, séchage. Donc euh, nous allons attendre d'ici lundi et eh, quand les enveloppes du poids vert qualité sera en tout cas probablement séchées, nous allons déterminer les poids sèches de l'enveloppe et pouvoir déterminer eh, en tout cas les bilans fourragers ou les rendements par site pour nous permettre de dire eh, que la zone pastorale est globalement excédentaire ou déficitaire. Mais comme je le venais de le dire, en tout cas l'appréciation qualitative du pâturage herbacé aérien euh, semble croire que cette année, euh, en tout cas, la production sera euh, bonne à moyenne au niveau de la zone pastorale. Nous savons que dans la zone pastorale, ce n'est pas seulement les animaux de maladie, comme vous l'avez dit, c'est la, descente vers les zones de pâturage. Autrement dit, les, les, animaux des autres régions aussi se retrouvent sur euh, cette zone. Est-ce à dire que cette année, euh, le patrouillage qui y a peut suffire pour les animaux de maladie et ceux mêmes qui vont venir des autres, des autres Je comprends effectivement comme si on vous avait, on vous a guidé. Nous venons juste de sortir de ces débats quand vous êtes rentrés parce que nous avions ensemble avec euh, les chefs services régionales de production et industrie animale déterminé en tout cas l'effectif du cheptel projection 2017 pour déterminer euh, l'effectif du cheptel séjournant et pouvoir dire notre capacité de charge en matière du pâturage cette année, nous avions fait ces débats. Comme quoi, euh, nous savions qu'à Maradi, euh, les statistiques des recensements général du cheptel et de l'agriculture de 2000, en tout cas de 2007, nous ont donné un taux de transhumance de 33% pour les ovins, 18% euh, pour les caprins, 19% pour les ovins. C'est sur cette base qu'on détermine les taux des transiments, des éleveurs qui vont en transhumance et déterminer l'effectif du cheptel qui reste dans les territoires nationaux et pouvoir dire voilà notre capacité de charger cet effectif-là. Alors compte tenu de cette question que vous avez posée, nous nous sommes dit que cette année, il y a une particularité du département de Bermo et d'Akoro, notamment la zone pastorale. Et quelle est cette particularité Si vous avez suivi les informations d'hier, Zender a déjà déclaré que la zone de Tanout est déficitaire cette année. Et nous avions aussi parcouru lors de notre mission de la cuir salée, et on a vu la zone d'Agadez, la zone de la région frontalière de Tawa. En tout cas, toutes ces zones-là, cette année, sont extrêmement déficitaires en matière de production fourragère. Et le Premier ministre l'a dit que cette année, les éleveurs de la zone d'Agadez seront accueillis dans la zone de Gadebege, notamment dans la réserve fourragère. Il a appelé, en tout cas, il a lancé un appel à une bonne cohésion des éleveurs. Ce qui fait que déjà euh, la réponse à votre question est trouvée, que cette année, même si la région de Maradi, en tout cas de la zone pastorale, a une bonne production fourragère, on risque, on risque, je l'ai dit, de se confronter à la même situation de l'année passée où on va accueillir les éleveurs de la zone de Tanout, on va accueillir les éleveurs de la zone de, euh, d'Agadez, notamment vers Tirozérine et autres. On risque d'accueillir les éleveurs d'Abalak et même les éleveurs des autres régions, en tout cas même le Nigeria. Ce qui fait que appliquer les taux de transiment au niveau du département de Bermo serait pour nous, en tout cas pour le moment, une erreur statistique. Donc on a voulu peut-être en tout cas temporiser, voir quel serait probablement le mouvement des éleveurs vers où pour pouvoir en tout cas euh, déterminer la vraie variable qu'il faut appliquer pour pouvoir dire voilà les effectifs séjournant dans la zone de Bermo. Mais d'ores déjà, la question que vous avez posée, c'est une inquiétude. Elle est là, elle est posée et elle est connue par les services de la région, de, la direction régionale. Monsieur le docteur, une haute menace pour euh, le pâturage à maladie c'est bien sûr les feux de brousse. Nous savons que c'est l'armatan qui va commencer à souffler petit à petit. Et dans ces zones, chaque année, on en enregistre euh, de feux de brousse. Est-ce que déjà des dispositions sont en train d'être prises pour protéger cet espace herbacé Effectivement, euh, par rapport à cette question également, euh, des dispositions sont d'ores déjà prises parce que le gouverneur de la région, en collaboration avec la direction régionale de l'environnement, et nous-mêmes, les services techniques concernés, direction régionale de l'élevage, de tous ceux qui sont le comité régional de prévention et gestion des catastrophes, nous avions ensemble lancé, en tout cas, l'opération des bandes par feu au niveau de la réserve de Gadebéji. Tout cela, c'est pour pallier, en tout cas pour anticiper à la question de gestion des feux de brousse. Monsieur le docteur, je vous remercie. Vous venez d'entendre le directeur régional de l'élevage de Maradi, docteur Salifou Issakou. Comment se présente le couvert herbacé en cette fin de campagne agricole 2016-2017 Quelles sont les dispositions idoines à prendre face à la situation qui se présente Gungumaman Dantani s'est entretenu avec le secrétaire permanent du CAPAN, collectif des associations pastorales du Niger, Tidjani Alou Aboubakar Sidikou. Voici sa réponse. Nous sommes à la fin de la campagne agricole. Quelle est votre appréciation par rapport au couvert végétal Bon, mon appréciation vraiment, je suis désolé de vous le dire, c'est que y a pas, le couvert végétal n'existe quasiment pas. En tant que cadre de plaidoyer, on ne sait même pas comment faire pour résoudre ce problème. Aujourd'hui, si vous quittez Niamey pour aller jusqu'à Agadez, vous allez constater qu'il n'y a pas eu de pâturage cette année. Les petites zones nord d'Akoro, dans la zone pastorale de Bermou, où il y a eu de paille, tous les animaux vont converger là-bas. Et ça, c'est une question de jour pour qu'il termine avec la paille. Mais à ce moment, comment il faut faire Et d'ailleurs, vous allez remarquer que eh, les animaux ont eu une descente précoce. Aujourd'hui, les champs en tout cas, n'ont pas été libérés et quasiment tous les animaux sont dans les champs. Cela entraîne des fois des dégâts champêtres si il se trouve que les animaux tombent sur des champs pièges. Quelles sont vos inquiétudes par rapport à cette ah, situation Mon inquiétude, c'est que comment faire pour résoudre ce problème. Au tout début, le pâturage existe jusqu'au mois de mars-avril. Après, on rentre dans la dynamique de la recherche à travers l'État du son à prix modéré pour euh, les éleveurs. Mais aujourd'hui, le pâturage, la paille, n'existe pas. Et même si elle existe à des endroits très lointains, il y a l'insécurité et un manque d'eau. Alors, est-ce que l'État a pris des dispositions pour euh, contrecarrer cette situation bon, L'État est en train de prendre des dispositions. Nous, pour le moment, ils ne nous ont pas appelés, mais à travers les réunions qu'on arrive à faire avec eux, ils sont aussi soucieux de ce problème. Mais au-delà de ça, nous, en tant que cadre de plaidoyer, on est dans l'obligation de les interpeller à temps pour qu'ils euh, commencent à réfléchir afin que d'ici quelques un mois, deux mois qu'on trouve une solution, ne serait-ce que dire aux animaux d'aller à tel endroit, il y a la paille et il y a l'eau en tout cas les guider quoi dans ce sens. Tout récemment, une euh, bagarre qui s'est engagée au niveau de la localité de Bangui. Et quelles seraient donc les dispositions que vous allez prendre sur la cohabitation éleveur-agriculteur euh, Bon, je suis désolé de vous le dire, c'est pas la cohabitation éleveur-agriculteur hein, Bangui. On a été, moi-même j'ai été, mais c'est pas ce qu'on pensait. On pensait que c'était suite à un dégât champêtre que les communautés des agriculteurs ont réagi. Non, non, non, c'est autre chose. C'est plus fort que les dégâts champêtres. Je dirais pas, euh, moi j'ai peur même de m'avancer, mais c'est ethnique c'est ethnique et ça, je pense que nous, on va faire de notre mieux dans la sensibilisation des éleveurs, dans la gestion non violente des conflits. Et je pense que ça s'est réagi parce que les victimes, en tout cas de l'autre côté, n'ont pas réagi parce qu'ils ont écouté l'État et ils attendent que l'État, en tout cas, fasse son travail. Et je pense que l'État a commencé déjà à faire son travail dans ce sens. Mais nous, on va, en tant que cadre de plaidoyer, on va organiser, en tout cas incessamment, euh, des actions pour que les gens connaissent, euh, en tout cas, leurs droits et qu'ils sachent qu'il y a une gestion non violente des conflits, quel qu'il soit. Est-ce qu'aujourd'hui le système de couloir de passage existe Est-ce qu'il est opérationnel Bon, le système de couloir de passage, je dirais, existe. Mais les couloirs de passage ne sont même pas fréquentés par les animaux pour le moment. Moi, à mon avis, l'État les cadres de plaidoyer que nous sommes, les partenaires, on doit actualiser en tout cas nos connaissances vis-à-vis de ces couloirs de passage et des aires de pâturage. Mais il y a un projet qu'on appelle PRAP, c'est un programme sous-régional, en tout cas qui est là, dont une de ses composantes s'occupe justement de cette valorisation des couloirs de passage. Bien qu'ils soient grignotés, mais je pense qu'ils seront balisés, il y aura des accords sociaux, parce que une fois que c'est pas grignoté, je pense que si tout le monde joue son rôle, si les agriculteurs restent dans leur euh, zone agricole et les éleveurs seront contraints de suivre les couloirs et d'utiliser les aires de pâturage. Votre dernier mot On a du travail cette année, c'est sûr et certain, parce qu'au-delà de la situation euh, de pâturage qui n'est pas du tout luisante, il y a aussi le cas de la fièvre de la vallée de Rift, qui est là au niveau, en tout cas, de Chinta. Et si on ne fait pas attention, si on ne fait pas des actions allant dans le cadre de la sensibilisation et du renforcement de capacité, elle peut arriver jusqu'à Niamey, puisque c'est les animaux, ils bougent, les gens achètent, ils viennent avec. Surtout que c'est une zoonose qui attaque aussi les hommes. Je veux dire, à travers un moustique. C'est ça qui est dangereux. Merci. Je vous en prie, monsieur. un tout autre plan, la délégation du Niger qui participe à la COP 22 s'est retrouvée hier après-midi à Marrakech dans une salle située dans la zone bleue. La rencontre est dirigée par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Al-Mustafa Garba, Objectif prendre contact avec les membres de la délégation nigérienne pour savoir qui fait quoi et comment faire pour faire entendre la voix du Niger, le ministre Al-Mustafa Garba. La délégation du Niger à cette COP, euh, toute euh, organisation, toute structure confondue, est assez importante, une centaine de personnes. Nous avons tenu à réunir toutes ces personnalités, toutes ces personnes qui sont venues au nom du Niger, qu'elles soient euh, venues d'organisations étatiques ou d'organisations non gouvernementales ou de la société civile. Elles sont toutes venues défendre les intérêts du Niger. Donc euh, nous avons tenu à les rassembler et à leur dire leur devoir et ce que le Niger attend d'eux, de leur participation à cette importante rencontre, afin que, au sortir, euh, notre pays puisse en tirer le maximum de bénéfices et que chacun individuellement puisse également en tirer euh, un maximum de bénéfices. Donc, euh, nous avons mis en place une organisation interne qui va nous permettre de suivre tous les créneaux à la fois euh, disons, des négociations au niveau de la Convention, mais aussi les événements parallèles qui peuvent être euh, d'un intérêt pour le Niger, afin que, euh, au sortir de cette conférence, le Niger ait tiré le maximum d'intérêt. Alors justement, quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette conférence des partis 22e édition euh, Par rapport à la conférence des partis, euh, vous savez, la 21e conférence qui s'était tenue à Paris s'est soldée par euh, l'adoption de l'accord dit de Paris, un accord global sur les changements climatiques. Nous attendons à cette COP22 des avancées notables dans le sens de la mise en œuvre réelle euh, de cet accord, c'est-à-dire l'opérationnalisation même de cet accord à travers les différents instruments à la fois de planification, de coordination et de contrôle des différents engagements des uns et des autres. Et nous attendons également un plus grand élan euh, dans le sens de la volonté d'appuyer les États africains particulièrement ceux du Sahara et du Sahel, qui sont les pays les plus vulnérables face aux effets du changement climatique, alors qu'ils n'en sont pas les responsables. Nous attendons donc, dis-je, euh, une volonté plus affirmée de les aider à plus d'adaptation aux effets de ces changements climatiques-là, de même que nous sommes engagés euh, à conduire des effets, euh, des, efforts en matière d'atténuation à travers notamment notre contribution déterminée nationale pour laquelle le Niger a déjà commencé à faire des efforts depuis bien longtemps. Oui, justement, ce CDPN qui se chiffre à environ 8,7 milliards milliards. Est-ce que euh, tout le financement est disponible ou bien il, reste combien de pourcentage de financement euh, que le Niger est en train de chercher euh, Au stade actuel, on ne peut pas dire que les financements sont disponibles. Nous fondons l'espoir que les différents pays, particulièrement les pays développés, qui ont pris l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour l'atteinte des objectifs euh, de cet accord, à savoir euh, limiter d'ici la fin du siècle euh, l'échauffement climatique à, en dessous du seuil de 1,5 degré Celsius. Eh bien, étant donné que cet objectif, pour qu'il soit atteint, pour l'Afrique, euh, cela euh, nous conduit à un rehaussement euh, de température de l'ordre de 3 degrés Celsius, eh bien, il y a un effort énorme à faire. Cet, énorme, cet effort euh, s'est traduit par des engagements que les différents pays ont pris. Nous, à travers notre contribution déterminée nationale, puisque l'accord de Paris est entré en vigueur depuis le 4 novembre dernier, eh bien, nous attendons que les mécanismes soient mis en place pour le financement de, de, de cette euh, CDN. D'ores et déjà, à l'interne, il y a beaucoup d'efforts qui se font, que ce soit des efforts dans le sens de la résilience euh, climatique des différentes communautés de base, que ce soit des efforts en termes d'atténuation et même d'adaptation. Il y a beaucoup d'efforts qui se font déjà, mais c'est des efforts qui sont très insignifiants par rapport aux besoins réels et c'est pour cela que nous avons souhaité que euh, la 22e conférence fasse un pas dans le sens de la concrétisation des engagements pris par les différents bailleurs de fonds. Et, eh bien, euh, c'est dans ce sens que nous allons travailler, c'est dans ce sens que nous allons, en tout cas, appeler nos autres euh, collègues africains à joindre leur effort euh, pour, pour aller de l'avant nous avons vu que beaucoup de pays euh, ont quand même des stands sur lesquels les gens se retrouvent ou euh, les événements parallèles euh, se déroulent. Cette année, le Niger n'en dispose pas à ce que je sache. Qu'en est-il vraiment de cette question et comment vous êtes en train de prendre en charge cette question Non, les stands pour faire des expositions ou des événements parallèles ne sont pas indispensables à ce genre de rencontres-là. Il est arrivé des mois où le Niger l'a fait, quand euh, c'était Nécessaire Pour les besoins de cette conférence-ci, nous avons besoin juste, euh, disons, de salles de réunion. Elles sont disponibles pour se retrouver. Elles sont disponibles. La salle où on a tenu la réunion tout à l'heure est une salle qui est disponible pour les délégations qui en font la demande. Nous pouvons en disposer tous les jours de 14h à 15h pour faire le point. Euh, ce qui est important, c'est la participation aux différentes discussions, aux différentes négociations sur les différentes conventions qui sont en cours ici. Et pour cela, nous n'avons pas besoin d'avoir euh, des stands parallèles pour le Niger. Alors, monsieur le ministre, quel est votre, votre appel à l'endroit de la délégation nigérienne présente ici et à l'endroit euh, des populations du Niger qui attendent de cette délégation beaucoup mais pour les populations, je commence par là, euh, par rapport à la COP22, il n'y a pas euh, grand-chose à attendre, il n'y a pas un appel particulier à dire, sinon que qu'elles continuent les efforts d'adaptation qu'elles ont déjà euh, imprimés à leurs euh, conditions de vie face aux changements climatiques qui sont imposés, en attendant que euh, des, moyens conséquents soient trouvés pour booster ces différents efforts et initiatives que les gens mettent en place avec un grand génie au quotidien pour survivre. Maintenant, pour ce qui est de la participation ici, comme je l'ai dit tout à l'heure au cours de la réunion, j'attends de chaque participant nigérien ici une pleine participation, une pleine contribution euh, aux différentes euh, discussions et c'est pour cela que nous avons exigé pratiquement que chacun fasse rapport de sa participation et qu'au sortir de cette COP22, nous disposions d'un rapport du Niger sur la participation à la COP22, résumant toutes les discussions qu'on a eues, les engagements, les engagements qui ont été pris, les perspectives qui s'ouvrent et qui sont disponibles pour nous pour l'avenir. Je pense que c'est comme ça qu'on peut bâtir sur le passé et construire un meilleur avenir. Les activités de la COP22 se poursuivent aussi bien à la zone bleue, zone négociation, jusqu'à la zone verte, zone acteur non étatique, avec des rencontres et des groupes de travail. Ce matin, il s'est entretenu, il s'est tenu pardon, un forum de la société civile francophone sous l'égide du réseau Climat et Développement. Ce forum a regroupé ses membres pour discuter autour de six thématiques clés dont entre autres l'accord de Paris et l'adaptation au changement climatique. Sani Ayouba, coordonnateur de l'association Jeunes volontaires pour l'environnement JVE, et membre du, réseau nous en donne plus de détails. Il est au micro d'Alassane Kouzima Madou. Pour l'accord de Paris, les gens euh, disent, enfin, sont unanimes que déjà c'est un grand pas que euh, l'accord est déjà en vigueur, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que euh, qu'on maintienne la mobilisation. Il faut que tous les acteurs soient suffisamment impliqués pour jouer leur rôle. Surtout les acteurs non étatiques, c'est-à-dire la société civile et les autres, et les collectivités, etc. Donc c'était vraiment pour nous, c'est de faire en sorte que ces acteurs soient impliqués véritablement dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Maintenant, la question de l'adaptation aussi, puisque vous savez que nos pays, surtout les pays tels que le Niger et les autres pays sahéliens vulnérables, c'est la question de l'adaptation. Donc faire en sorte que cette question soit vraiment reléguée au premier plan et qu'il y ait des moyens suffisants pour valoriser d'abord les savoirs traditionnels locaux et aussi amener euh, les autres techniques de transfert de technologies pour permettre à ce que nos communautés soient suffisamment résilientes. Nous initions des rencontres avec les ministres africains, les ministres francophones de façon générale, mais plus précise avec les ministres africains, où la délégation euh, les rencontre pour donner nos notes de position, nos notes de décryptage, nos recommandations pour que les négociateurs ou bien les leaders euh, de nos États puissent en tenir compte dans les points qu'ils vont défendre. Propos recueillis par notre envoyé spécial à Marrakech, à la Sankouzi Mamadou. Alors que beaucoup de sondages, d'analyses et de médias donnaient victoire à la candidate démocrate Hillary Clinton, c'est donc le candidat républicain Donald Trump qui a remporté la présidentielle américaine selon le professeur Issoufou Yahya, enseignant en sciences politiques à l'université Abdelmoumouni de Niamey. La victoire de Trump n'est nullement une surprise au regard du dernier développement du climat politique aux États-Unis d'Amérique. Professeur Issoufou Yahya, bonjour. Bonjour. Comme beaucoup de citoyens du monde entier, vous avez suivi avec intérêt l'élection du 45e président des États-Unis d'Amérique hier. Professeur Issoufou Yahya, est-ce que c'est une surprise pour vous alors, surprise pour surprise, en tout cas pour euh, tous ceux qui ont un œil euh, regardant sur la politique euh, américaine et d'une manière générale sur la vie politique en Occident, ne devraient pas être surpris. Parce que là, M. Trump a touché le peuple américain qui lui a accordé massivement son suffrage. Donc, ah, il a parlé des réalités inhérentes aux Américains, à la vie des Américains et propre à chacun des États qui constituent le grand pays que sont les États-Unis d'Amérique beaucoup de sondages et beaucoup de médias donnent quand même euh, victoire à la candidate euh, démocrate euh, Hillary Clinton. Alors, vous savez, même ces sondages, si vous le suivez de manière attentive, c'est que trois jours avant euh, les présidentielles, ces sondages étaient quasiment en faveur légèrement Donald Trump qui était en train de remonter. Et cette remontée, elle s'est confirmée avec les résultats que tout le monde connaît. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ce sont les États fédérés qui apporte le suffrage. Ce sont les États qui votent parce que la, la Constitution euh, américaine, rédigée en 1787, donne une place importante aux États, si bien que les fameux grands électeurs. En réalité, chaque État est représenté le plus faiblement représenté comme le Montana à trois euh, grands électeurs et que c'est ce collège de grands électeurs constitué de 538 qui détermine qui devrait être président des États-Unis. Et même au sein de ces grands électeurs, il y a des États clés, comme la Californie, bon, c'est vrai qu'il est resté avec euh, Hillary Clinton, mais des États comme la Floride, des États euh, vraiment importants qui ont la clé du suffrage, eh bien, ceux que les démocrates possédaient, la plupart sont allés entre les mains de Donald Trump, qui a conservé les grands électeurs que euh, les républicains avaient. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'ici, c'est un vote pour M. Donald Trump et non pour le Parti républicain parce que c'est lui qui allait chercher les voix au fond fond de l'Amérique, cette Amérique profonde, cette Amérique blanche, parce que euh, Donald Trump est contre les, pauvres, il est contre les Noirs, contre les Hispaniques, contre euh, les immigrés, et c'est le message que les Américains ont voulu et qu'ils ont entendu avec Donald Trump, et c'est la raison pour laquelle l'ont euh, plébiscité. Professeur, qu'est-ce qui a joué en défaveur euh, de la candidate démocrate Hillary Clinton alors, Hillary Clinton, je pense que d'abord, c'est son usure. Ça fait plus de 40 ans qu'elle est dans le système. C'est cette question de emails parce que le fait de se servir d'un serveur personnel alors qu'on occupe une fonction fédérale, je pense que ça l'a desservi. C'est aussi peut-être les impairs que son mari a dit à à, commettre lorsqu'il était président. Et d'une manière générale, je pense que c'est le système à lui-même que les Américains ont rejeté pour chercher euh, Donald Trump, qui n'a jamais occupé quelque fonction que ce soit, qui est juste un entrepreneur, quelqu'un qui ne connaît pas le monde, qui ne connaît que son pays. Et c'est ce monsieur que les Américains ont choisi comme président des États-Unis pour dire aux autres, nous, on veut quelqu'un qui s'occupe de nos problèmes et non quelqu'un qui va s'occuper des problèmes internationaux et c'est sur ce plan certainement que euh, M. Donald Trump est attendu. À travers le monde, sur les dossiers internationaux, peut-être qu'il saura se faire entourer de personnes chevronnées pour euh, maintenir le cap dans cette politique étrangère américaine. Mais il faut s'attendre à des jours difficiles, en particulier avec la Chine, des jours un peu compliqués avec euh, l'Union européenne est peut-être moins compliquée avec euh, la Russie de Vladimir Poutine euh, qui se trouve être euh, un peu proche de de, de Trump. vous savez, ce populisme, parfois, il est payant. Mais ce qu'il faut voir, c'est que les Américains ont leurs propres problèmes. Ils ont leurs propres difficultés et Donald Trump a su leur parler. Maintenant, sur le plan international, il avait déjà que qu'il mettra fin à l'immigration aux États-Unis qui sont une terre d'immigration. Il dit même que les immigrés vivant irrégulièrement aux États-Unis, il va les débarquer, euh, donc les renvoyer chez eux. Il faut aussi s'attendre peut-être à, vous avez Donald Trump, si les euh, euh, reconnu de quelque chose, c'est que c'est un individu vulgaire, c'est un, individu qui est grossier, qui est grotesque, qui n'a de considération pour personne en dehors euh, peut-être des sous. C'est un manœuvré qui a su éviter même de payer pendant presque 20 ans l'impôt. Donc, sur le plan international, il faut s'attendre à tout, au meilleur comme au pire, et en particulier sur la question israélo-palestinienne, israélo-arabe d'une manière générale. C'est possible qu'il y ait un début de solution puisque euh, ce sont les États-Unis qui protègent Israël et qui empêchent ce dossier d'évoluer. Sur le plan euh, de la lutte contre le terrorisme, je pense qu'il va y avoir un rapprochement euh, assez facile avec euh, la Russie pour trouver une solution à la Syrie. Maintenant, pour ceux qui de l'Afrique, vous savez, Barack Obama a été élu. Son père est kenyan, il a fait huit ans, il n'a pas fait grand-chose pour l'Afrique je pense, moins euh, pour Donald Trump. Donc, il ne faut pas s'attendre à grand-chose. Si Donald Trump doit faire quelque chose en Afrique, c'est que euh, son pays peut-être est menacé et que la sécurité se trouverait par des choses qu'il serait obligé, à mener, euh, obligé ou qui serait amené à faire en Afrique sur le plan sécuritaire. Mais sur le plan économique, je pense que Donald Trump est quelqu'un de raciste il est quelqu'un euh, de xénophobe, c'est quelqu'un qui n'aime pas les pauvres, eh bien, tous ceux, les pauvres, c'est en Afrique malheureusement qu'on les a. Les immigrés, la plupart vont aux États-Unis à partir du Mexique, des Mexicains ou bien des Africains, donc il faut s'attendre peut-être au pire. Professeur, est-ce qu'il ne faut pas craindre une probable montée de l'islamophobie ou bien de la tension raciale qui prend de plus en plus de l'ampleur aux États-Unis d'Amérique Bon, c'est qu'elle euh, est déjà à son, à son maximum. Vous savez, on ne peut pas être pire que George Bush. Pourtant, les Américains ont quasiment plébiscité Bush pour sa réélection après lui avoir octroyé euh, quatre années de présidence. Donc, huit ans, Bush a fait. Pourtant, Bush, c'est un minable, un médiocre. Ils l'ont élu. C'est lui qui a mis à feu et à sang quasiment l'Irak, la Syrie, il n'est pas euh, peut-être étranger à d'autres euh, conflits internationaux. Propos recueillis par Mokhtar Amado. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Au revoir, on se retrouve à demain.